na len ni le 2 avril damay dem est-ce que front bi amna fi raison d'être aussi. c'est sans objet parce que le dialogue dafa dañ ko édifier traditionnellement xam nga dafa ce qu'on appelle les mécanismes traditionnels et méthodes de résolution des conflits quoi mais bu ay nit joté mm. dans la dans les mécanismes traditionnels même sax parfois moderne day am waxtan dialogue réconciliation et tout ça. Mm. Cheikh tour doon na def des quand quoi néna ay nit bu ñu bañee pour na pusu ki nekk nee dañ a na ay tronc ci en public quoi c'est-à-dire moins dix, nga dem tu seras devant le fait accompli mm-hmm. affaire rattraper rattraper. ñii li ñuy ni c'est de l'enfantillage parce que euh, débat bi c'était clos Macky Sall le man sama sama mandat bu jexé damay def sama yone mm-hmm. léegi ñom ñoo xam naka constitution daf ne jusqu'à l'avènement de notre président mu Gadem, ou dem wala président assemblée day jël incidentiellement voilà, mais il y a une question de droit je ne vois pas que ça concerne constitutionnel mhm. Ils ne sont pas compétents à la matière parce qu'il n'y a pas cas de force majeure pour tax ñoom voilà vacances sur le plan du droit mhm. tout est prévu le président n'est pas mort il n'est pas malade nous ne sommes pas dans une situation digne d'intérêt mhm. donc les Macky Sall bu jour je donc là-bas quel monde le président pour ko remplacer bu président assemblée l'Assemblée, président assemblée bu vous ci condition c'est pas une démission fin de mandat là. Mm-hmm. donc il faut que nous ñoom ñu débrouillé wu conseil le même jour ñu le un président de la république à l'assemblée loolu moo moo tax ma ne leen ñoom bu dee dañoo mën a jàng mm-hmm. du question lu lire ci y a la doctrine et la jurisprudence Il xam ne interpréter le cognitif et l'intelligence des juristes Nous mm-hmm. valider ko nous li que nous ko bu dee noonu la demee dañuy dem assemblée kon voter ban président la ñuy nommer le même jour président parce que président assemblée ci condition yooyu waji ji wul démissionné le problème am na démissionné wul donc on a qu'à amener tous les candidats présidentiels Sénégal sans ñu dem ay validation quoi ñu tok assemblée mais ñu xol dans dans comme niko américain, dans chaque région

là-bas le désistement rend l'acte licite et conforme de droit ndax avons demandé. Mhm. une question qui évoquer même le pénal le désistement volontaire c'est infraction. Mhm. nous, ça sera licite et conforme de droit il n'est pas poursuivable kenn ñu moytu tout doux parce que nous, il n'a pas à faire son mandat avant. Mhm. et qu'il tienne des élections avant les élections toutes des élections avant est impossible la première thèse. secondo mom, aussi nee na du du du deuxième euh, bu mu day ndax mënut e- organiser l'élection avant cette date te bobo madame day jeex mom néna du ci un jour maintenant on reprend tout le processus maintenant bu boobaa conseil euh, constitutionnel ñom li ñuy wax wala ben juridiction wax nous reprenons le tout le processus wala on dit que tous les candidats qui ont été validés par le conseil constitutionnel participent aux élections xam nga parce aussi ñun li de dugg ñoo mm-hmm. parce que ñun aussi xaw ban ban ban sentiment mo ñi animé parce que nous aussi dafa mel ni ñun ay dañoo nekk ay naafeq wala ay le problème est très simple léegi le deux bu jotee Sall n'a pas on n'a pas voté on n'a pas trouvé un président mais on maintient le gouvernement avec le premier ministre et tout le monde va aller aux élections toutes les personnes qui s'étaient présentées n'ont qu'à aller aux élections parce que une théorie mhm. parce que xam nga li li ma gis man ni trichement la dir la mooy octroi les wala les gens seront obligés de voter pour nous. C'est ça, c'est ça le, le formule Donc nous, pour l'éviter, ils étaient 69, combien Combien 73. 73. Oh, mais je te jure, le mot est fait. Vous avez vu le 2 avril. Macky Sall guerre de day bàyyi parce que gor la gis na ñu ko def diko ko war am ñu ci ànd dugg génn jeu d'intérêt dana ko digalé ñom day taxaw ni man ma doon président sama mandat ak Sénégal sama contrat jeex na léegi man je refuse du ma continuer du ma continuer ñu may këli kële léegi nag budé dee conseil constitutionnel li def xam na il dira que tous les candidats qui ont été au conseil constitutionnel ils ont fait le processus. Mhm. tous participent non tout le monde participe aux élections et on fixe la date. il y a 73 candidats. waaw mooy non mooy yoon xamul tax muy yoon. Mhm. day tax léegi lépp indi transparence la transparence qu'on évoque mhm. et qu'on chante là il faut que ñu defanteeg nos noonu ça c'est que je vous dis là qu'il y double nationalité mais double nationalité mhm. on s'en fiche parce que des Sénégalais de souche. on occulte tout on laisse tout le monde voter point barre ils vont faire des alliances entre les gouvernements Ils nga c'est clair du parce que vous nga deuxième tour je vous donne un exemple 73 si on les 73 mhm. ils vont faire de grandes entités en politique c'est comme ça il y aura deux entités. Mm. deux entités c'est là-bas où l'on va définir la situation politique au Sénégal après on ira voter des lois et dans la conscience que le Sénégal ne peut pas avoir plus de quel parti nous faisons ferons des de ce qu'on appelle des votes et des consultations comme ni ñu syndicats et central syndicat mm-hmm. pour nous, la après on fera de sorte qu'il y aura de grandes entités politiques ces gens là ils s'appelleront la coalition des Verts ni de coalition Ben Bokk ñii xaw ma taxawu Ndakaaru xam nga taxaw Dakar wax déjà déjà intitulé bi rek baaxul mhm. par exemple imaginez dañoo dem ba taxaw Ndakaaru ñu ne ñu ne xaw ma lan aar nangam ils disent de non donc il faut ñu am ay coalition yu mag mhm. yoo xam ne dootuñu am ay fukki parti nangam juróom la ñuy am bu ñu paree ça dépendra des attentes durable e que man président moom je veux que après moom il va venir avec nous <laughs> parce que moom ça fait moo tax ma annulé sama voyage je suis venu le voir parce que ñun ñun on a besoin de ses idées de sa de sa taxonomie de gestion en tout cas il a un et donc ñun euh, avec Amadou lay ñëw je vais dire euh, Ben et Ben et Amadou mm-hmm. voilà bu ñu ko. ah, ah ak sama mbooloo bi. Ah, mari est ce que du ngeen créé seen yëfu bopp. loolu yëfu jàmbur la de. <laughs> non mais mais sa waay moom. loolu yëfu jàmbur sa waay moom moom moom Mary Thiaw. Mary Thiaw c'est mon ami quoi. moom suñu suñu professeur je le connais Saint-Louis mu mënoon jàng boobu temps on était à Bango mu mënoon jàng ndeysaan di raw. boobu temps il était élève presque mën ñu nekk ay donc voilà que on a besoin de ces entités on ne peut pas accepter qu'on ait des des partis politiques et des gens qui ont des idées qui ont des, des, propositions à nous faire et qui arrêtent à nous convaincre aussi. Parce que euh, ceux qui sont au pouvoir, comme Macky Sall et autres, ils ont besoin de complémentarité, c'est-à-dire des gens qui viennent avec des idées. Mhm. yu nga jël li li nga yor du donc on en a besoin <laughs> donc nous euh, avons ci problème parce que nous, mais il veut être le non c'est ça soit soit il sera candidat soit il sera candidat pour de quoi il va nous soutenir. Ah. <laughs> il va venir avec nous. Ah. non dañuy coaliser il ne nous soutient pas. lay xëcc de. courtiser non mais dama koy courtiser parce que avec Amadou lay ñëw on fera de lui un grand ministre. comme ça il va nous dire il va nous aider. toog toog mais moom sama waay la. noo xamante ne ñu. waaw waaw waaw euh, euh, moom il